60 jours 60 vidéos jour 42 man dama nekk nit bo xam si matière de tech dama ci wax tout le temps mais nit ñi dañ yaakaar ni man ni may waxee tech non lay changé alors que man da ngeen war comprendre que ni man si technologie damay dund lu ñuy wax tech your time manam soxlawul may jënd téléphone bo xam te fonctionnalité yu muy indi en plus yo xam te ni lañ mako jaayé soxlawu ma vraiment actuellement ni vais utiliser téléphone B de iPhone 13 li tax choisir que c'est simple C'est iPhone 13 yi un processeur A15 Bionic et processeur B, il est pas si vieux parce que les gens vont comprendre c'est iPhone 13 à 14 il ngi processeur A15 si iPhone 15 yi ñu processeur A16 si iPhone 16 yi ñu processeur A18 waaw Apple fait de votre processeur A17 si téléphone simple parce que dafa vous séparer gamme pas des gamme pro ensuite ils ont compris que ça va être très compliqué pour les utilisateurs montant une des processeurs processeur A18 pour du samplé ak processeur A 18 Pro si Pro pour créer une différence de processeur pour comprendre et iPhone 13 il y une excellente autonomie peu importe téléphone iPhone XR ni iPhone 13 mais même fait que iPhone 12 ni iPhone 13 l'autonomie est vraiment excellent et iPhone 13 téléphone Dynamic Island ça sera exactement comme iPhone 15 simple et vous qu'on ne ci bouton action bi caméra contrôle ça sera exactement l'iPhone 16 et c'est exactement le dit t'as pas vraiment besoin de ça si tu as juste besoin d'un iPhone performant qui fonctionne très bien et bon en xool différence ces processeur entre le iPhone 16 et iPhone 13 ça sera genre 50 ou 60 et l'autre non c'est sur papier et man les tax de de téléphone mon moins design moi iPhone 16 linéairement et aussi pixel linéairement je trouve que pour Dieu ça matche bien avec protection Il devrait que un côté titanium et ça c'est joli Tekti caméra iPhone 13 ils sont excellents selfie bi comme caméra arrière bi teg ci filmer en mode cinématique Manam nga def flou arrière plan quoi bu fekkee da ngay def vidéo euh, tout ça pour wax sur ni haut, ngén di changer téléphone à chaque fois bu téléphone bu baisse et il faut trouver trouver raison yu tax ngén bëgg changer téléphone man nekul appareil photo man li tax ma jënd iPhone 13 bi c'est juste qu'il a une bonne autonomie ma jël couleur blanc bi parce que voilà mën le dem ak coque de protection yu bëri ma pochette bi parce que ça va très bien avec bordure iPhone bi et daf may fatigué couleur titanium te bul faté abonné